quel le sentiment qui vous ben, C'est un, sentiment d'honneur et de plaisir qui me sont offerts aujourd'hui par la zone, de, la zone 2 de Guédiawaye pour venir ici partager avec la jeunesse ces moments de joie, de fierté mais aussi de fierté avec l'ensemble des, jeunes de Guédiawaye pour dire simplement que nous sommes derrière les populations et particulièrement derrière la jeunesse de Guédiawaye pour, euh, avec elle, relever tous les défis qui se posent aux populations. Le message que je lance à la population de Guédiouaï, bien entendu, par ces temps qui courent, c'est de voter massivement le 24 février pour le président de la République pour que son action à la tête du pays puisse se perpétuer dans de bonnes conditions. Mais au-delà de cela, l'appel que je lance aux jeunes de Guédiawaye, c'est surtout d'aller étudier, d'aller chercher du travail pour vraiment se former et se préparer pour l'avenir pour pour Mais ben, nous, y sommes, je pense que nous y sommes déjà. notre présence ici montre que nous sommes en train naturellement de préparer les, élections. Et préparer des élections au Sénégal, mais autre chose que euh, d'être aux côtés des populations, dans ce qu'elles font au jour le jour, au quotidien, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous, irons vers les populations, leur porter la bonne nouvelle et leur montrer euh, dresser le bilan du président de la République à la tête de ce pays et dresser avec elle les perspectives qui s'offrent au président de la République euh, pour un second mandat. Bah, je pense que ça, il faut aller voir du côté de la mairie. Euh, donc, c'est pas, pas, pas l'administration en tant que telle qui est responsable de cela. Je pense que le moment venu, des mesures appropriées seront prises. Je le pense bien. waaw dañu ñëwoon tey fii pour euh, euh, bokk ak euh, waa Géejawaay xale yi mag ñi ndaw ñi ci fête bi nga xamante ni feetu football la ñu bokk ak ñoom di leen wan ni ñu ngi seen gannaaw ci lépp loo xam ne ñu ngi ci. ci lu neex ak ci lu naqari ndax ñun doomu dëkk bi lañ te lii suñu wareef mooy ñu ànd kook ñoom loolu rek moo ñu fi indi donc voilà ñu ngi fi. waaw li may wax ci élection yi mooy waa Guédiawaye nañu jàppale président de la république ngir mu mën a continuer liggéeyam ci bopp réew mi ndax euh, benn mandat bu ko président amee day mel ni réew moomu day doxe ñaari tànk arrière beneen beneen tànk loolu du lu baax ci réew mi donc may woo population yi Guédiawaye ñu jàppalee président de la république xam ne loolu moo gën ci stabilité ak sécurité réew mi je pense que enveloppe bu man euh, enveloppe bu deux millions la je pense pour la finale ak ay yeneen bagage yoo xamante ni wax dëgg yàlla sunu sunu sunu sunu yéene romb na foofu voilà merci